Fidèles auditrices, auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Ketop Draman avec moi, Maria Madei. Bonjour Mariam, comment ça va Ça va bien Ruki. Alors nous avons quoi mener ce matin Comme d'habitude Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'informations pour commencer. Et dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons santé comme tous les mardis. Dans l'écho des régions, nous irons à Maradi pour parler des activités menées par les élèves pendant ces vacances. Ce n'est pas fini Ruki. Dans cette même émission, il y aura une chronique Loti, la culture linguistique qui sera présentée en langue Hausa par Maman Ada et une page sport. Chers auditeurs, dans cette émission, euh, nous serons en compagnie d'une jeune artiste, comédienne, humoriste du nom de Mariam Abdou Kimba, plus connue sous le nom de Marie-Rose. Fidèles auditeurs, les belles musiques nigériennes sont aussi au rendez-vous dans cette émission Le Niger Circalango, Restez avec nous sur les zones de nos médias partenaires. Nous vous souhaitons très bonne écoute. Tout de suite, les flashs d'informations avec Rafika Tahera. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, bonjour Rocky. Bonjour Rafika. Euh, pour ce matin, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, a présidé hier lundi 29 juin 2024 la finale du tournoi de lutte traditionnelle organisé à l'occasion de l'un du CNSP à l'arène de jeu traditionnel de Niamey. Cette compétition de deux jours qui a enregistré la participation de 16 meilleurs lutteurs du Niger a vu une fois de plus le sacre de Kadri Abdoudi Isaka Isaka, sacré roi des arènes à l'issue de la finale devant Noura Hassan. Ainsi, Isaka Isaka a reçu le trophée de ce tournoi qui célèbre l'anniversaire de l'an 1 du CNSP au pouvoir. Par ailleurs, le même jour, le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen a présidé à Niamey la cérémonie de lancement officiel du programme de modernisation du secteur de l'agriculture et de l'élevage. Il est financé à hauteur d'un milliard de dollars, soit plus de 600 milliards de francs CFA. Ce programme vise à assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle, la résilience aux risques climatiques et l'augmentation de la productivité. Le Premier ministre a souligné que ce projet, le tout premier du genre au bénéfice de la population nigérienne, est un défi qui doit se réaliser très rapidement. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdouharouna, a signé un arrêté interdisant sur toute l'étendue du territoire de la région de Niamey l'importation, la distribution, la vente et la consommation de la chicha appelée aussi narguillé. Par la même occasion, il informe que les bouteilles, les produits et accessoires de Shija saisis seront incinérés. L'objectif étant de protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, physiques et mentaux liés à la consommation de ces produits. L'application du présent arrêté prendra effet à compter de sa date de signature et toute infraction aux dispositions de l'article 1 de cet arrêté sera punie conformément au texte en vigueur. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour ce flash et passe une excellente journée. Merci Ruki. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous recevrons dans un instant Mariam Abdou Gimba, une artiste comédienne. Mais en attendant euh, nos échanges, nous allons écouter de la musique. Je vous propose Bera Tobay de l'artiste Dari. music. Heaven boy on the track. La porta rei. Attention, la vie a ami, à ennemi, y'a très bon ami, y'a mauvais ami. Appelé à vivre avec autrui, il veut qu'ils construisent, il veut pas ils détruisent. De chaque nation, y'a ce qu'on a choisi, la sécurité, ou l'hypocrisie. Je vis ma vie, tu fais la jalousie. Oh, Babylonie, c'est pas le cas pour moi et mon ami. On s'éclate au riz, car ici va la vie. Nous on avait déjà plus compris La l'amitié n'a pas de prix. C'est Dieu qui en prie, de nous mettre à l'abri de tous ces mépris. Ma mère, je pense que t'as compris. Tu as ta petite amie, embrasse la si ça te dit. Tu as ton petit chéri, parce que si ça te dit. N'écris jamais tes amis, ah, à cause de ton chéri. N'écris jamais ta famille, mamie, chéri, à cause de ta famille. Daré est né en 1988 à Niamey. L'artiste Maman Daré Moussa alias Daré est un jeune rappeur, chanteur, compositeur qui a opté pour le rap conscient dans le style afro-hip-hop. Daré a gagné en notoriété et a été nommé Révélation de l'année 2017 notamment grâce à ses collaborations avec d'autres artistes. Ah. نوانديا ما كان فتي سميرة جنفورو تابيرا هلبا عنك دي سابيرا هينو جنفا zamse sabuga kanufa shifa abokinka abunda dan uwa bai maka shine zai iya yi maka chotarera shifa abokinka haddin fula sabura shine za kama shawara chotarera shifa abokinka abunda dan uwa bai maka

ni ka mai ba ni kana de l'artiste qui passons à présent la rubrique hebdomadaire santé de ce mardi qui parle des mycoses. Oui, Mariam, en effet, les mycoses sont des maladies de la peau qui sont causées par des champignons et aussi par l'exposition de la peau au soleil. Ces mycoses sont dangereuses car elles ne sont pas traitées selon les spécialistes. Élément de réponse avec euh, Halidou Sidibé Ramatou. Elle est dermatologue vénérologue à l'hôpital Lamordé de Niamey. et est au micro de Habiba Ahmed. Les mycoses, déjà on va définir le mot. Ça vient du grec mycos qui veut dire champignon. Donc on désigne par le terme de mycose toute infection causée par des champignons. Maintenant on a deux grands types de mycoses. On a les mycoses cutanées superficielles qui touchent la peau, les muqueuses, les ongles et les cheveux. Et on a les mycoses profondes qui touchent les organes et les tissus en dessous de la peau. Docteur, qu'est-ce qui cause les mycoses ce qui cause euh, les mycoses de la peau, parce que c'est de la peau qu'on va parler, c'est les dermatophytes et les levures. Maintenant, les dermatophytes, elles, elles sont constituées de trois principaux champignons qui sont les mycosporums, les épidermophytons et les trichosporums. Et maintenant, dans les levures, on a les malécésias et les candidats. Donc, ce sont ces principales familles qui sont pathogènes pour l'homme. Donc la contamination peut se faire entre les humains, ça peut se faire entre un animal contaminé et un être humain, ou bien on a certains champignons qu'on appelle saprophytes qui vivent sur la peau. Maintenant, ces champignons saprophytes qui vivent sur la peau, c'est quand il y a des facteurs favorisants que ça se manifeste. Maintenant, les facteurs favorisants, il y en a plusieurs types. Il y a les facteurs favorisants déjà climatiques. On vit dans un pays chaud, donc les gens transpirent beaucoup ce qui cause une humidité au niveau de la peau. Donc cette humidité est un facteur favorisant pour les champignons. À part cela, il y a un phénomène qui se répand maintenant, la dépigmentation volontaire de la peau. Cette dépigmentation aussi, c'est un facteur favorisant de mycoses. Ensuite, nous avons le diabète. Les patients qui sont diabétiques sont très sujets aux mycoses. Ensuite, on a la grossesse. Et il y a beaucoup d'autres facteurs favorisants, mais les principaux qu'on remarque ici, ce sont ces facteurs-là. Comment ça se manifeste Les mycoses se manifestent de plusieurs façons. Parce que au début, on avait dit qu'il y a des atteintes de la peau, il y a des atteintes des muqueuses, il y a des atteintes des ongles et il y a des atteintes des cheveux. Et les atteintes sont différentes selon l'organe. Donc, par exemple, quand c'est au niveau de la peau, ça peut se manifester euh, dans les plis. Et vous allez remarquer au niveau des plis des taches rouges ou bien blanchâtres qui grattent. Et on voit ça dans n'importe quel pli. On peut voir dans les plis des aisselles, dans les plis sous les seins, dans les plis entre les cuisses et dans les plis entre les doigts et les orteils. Maintenant, ces atteintes des plis, nous, ici en dermato, on appelle ça les intertrigos. Ensuite, on a les atteintes au niveau de la peau. Donc ça, ça se manifeste par des plaques, des plaques qui sont rondes, qui grattent. Et ces plaques peuvent sortir un peu partout, au niveau du visage, sur les bras, sur le ventre, sur les fesses, sur les jambes ça peut sortir un peu partout. Ensuite, on a les atteintes au niveau des muqueuses, plus la bouche et les organes génitaux féminins. Donc là-bas, ça se manifeste par un grattage. Ensuite, la zone devient rouge et ça se recouvre d'un enduit blanchâtre. Et ça gratte énormément et ce grattage peut conduire à des blessures. Ensuite, nous avons les atteintes euh, au niveau des cheveux. Donc ce sont des plaques tondantes. Tondantes parce que les cheveux sont cassés et ça gratte aussi. Et parfois, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de dépôts de peau qu'on appelle les squames. Dedans, quand la personne gratte, il y a les bouts de peau qui sortent. Ensuite, on a les manifestations au niveau des ongles. Vous allez voir la personne à l'ongle qui change de couleur, l'ongle qui se déforme. Et parfois, le pourtour de l'ongle aussi peut devenir douloureux, peut être gonflé. Et quand on presse, il y a du pu ou bien un liquide qui sent mauvais qui sort. Alors, docteur, comment se fait la prise en charge de cette maladie La prise en charge des mycoses se fait en deux façons. Il y a la prise en charge préventive et à la prise en charge curative. La prise en charge préventive, c'est déjà essayer d'éviter tous les facteurs de risque. Déjà, on va éviter l'humidité en portant des habits en coton, des sous-vêtements en coton. Si on est diabétique, on va essayer de corriger son diabète, de respecter les régimes du diabète. Et au cas où on est une femme qui se dépigmente, on va essayer d'arrêter la dépigmentation. Ensuite, euh, pour le volet curatif, il y a plusieurs médicaments, les antifongiques, c'est ça qu'on utilise. Il y a plusieurs molécules, plusieurs présentations. Donc maintenant, en fonction de la localisation de la lésion, en fonction de l'étendue, on va utiliser la voie locale qui sont des crèmes, des pommades, pour la peau. Maintenant, quand c'est les cheveux, on va utiliser plus les lotions qui sont liquides, qui vont mieux pénétrer dans les cheveux pour soigner. Au niveau des ongles, on va utiliser des vernis, des vernis filmogènes qu'on va appliquer sur l'ongle. Maintenant, les molécules qu'on utilise le plus souvent ici, ce sont le fluconazole pour la voie orale, la grisiofulvine pour la voie orale. Pour euh, la voie locale, on a le myconazole qu'on peut utiliser. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement des mycoses est un traitement long. C'est un traitement qui va de 3 semaines à 6 semaines. Et il faut être bien observant pour avoir un bon résultat. C'était là la rubrique hebdomadaire santé en attente toujours de notre invité qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous allons partir pour la deuxième musique de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit de Matankawye du groupe Albuchir de Kiro. chers auditeurs, c'était Matin Kaouye de la troupe Albuchor de Turo, cette chanson qui décrit la situation de la femme rurale à travers laquelle cette troupe a fait un plaidoyer pour que les conditions de vie de ces femmes soient améliorées, notamment avec l'accès à l'eau potable. Oui, Mariama, c'est une troupe qui, à travers ses chansons, euh, aussi instructives les unes que les autres, continue de faire tourner les mélomanes de la musique moderne nigérienne. Cette troupe a été dirigée pendant plus de 30 ans par Feu Bash Badoché Narwa, qui est décédé le 25 juillet 2022, paix à son âme. Après cette belle musique à Ruki, on passe à l'écho des régions qui nous amène à Maradi. Oui, les vacances scolaires sont une période essentielle pour les élèves du primaire et du secondaire, leur permettant de candidater, visiter des lieux et se reposer. Chaque année, les étudiants profitent de cette occasion pour s'engager dans des activités génératrices de revenus qui ne sont pas possibles durant l'année scolaire. Écoutons ce reportage de Sadou Ibrahim. cibiyar kasuwanci jamhuriyar Nijar inda a wannan lokaci na ƙarshen karatun shekara ɗalibai ke ci gaba da shirye-shiryen babban hutun 'yan makaranta. kimba Abdullahi Maryama ɗaliba ce a Jami'ar Maraɗi ta bayyana mana irin abubuwan da take fatan yi a wannan lokaci. Ina dai tayya in gani fami har zuwa can ƙauye, can ƙauye kuma ina ta yi ina ɗan yin lokaci haka, ina ta tayya tare da mutane haka gona ina dibawa kuma aikin da nake iya yi haka ni ma ina yi. Duka press aiki ina sa hannu haka. A sannan ne kuma nake ɗan wani haka research na karatu na in yi preparan rantre inda za mu zuwa gaba. Da kuma sannan dai ne nake profite in yi karatu. karatu na makaranta na. Wasu ɗalibai kuwa na amfani da wannan lokaci wajen kama wasu 'yan ƙananan sana'o'i domin samarwa kansu kuɗaɗen shiga. Ka daɗe masoyi Abdulrazak ɗalibi a jami'an Maraɗi na daga cikin masu wannan ra'ayi. Je mène pas mal des activités. Ina gudanar da 'yan harkoki a duk lokacin babban hutu. Banda idan kuka ɗauki misalin Niamey inda na fito. akwai abokai da 'yan uwa da ke buƙatar kayayyaki danginsu yadi shadda atamfa da kuma sauran kayan abinci daga nan maraɗe don da a nan suna da sauƙin farashi idan aka danganta su da can shi yasa nake sayan su daga nan na tafi da su ina sayarwa al'umma ina kuma samun ribar da nake ɗan biyan buƙatuna. To sai dai kuma Wasu ɗaliban irin su Muhammad Umar Mustapha, ɗalibi shi ma a Jami'ar Maraɗi, na amfani da wannan dama wajen koyon ayyukan da ke da alaƙa da karatunsu domin ƙara faɗaɗa fahimtar da suke da ita. Da an shiga daga bakansu daga nan direct ma ba gida zane wajen zai wajen stage zane ta da baran na stage bisa kan haraka fanon solar cikin bakansu na. Mai bana da muka zo nan da ya electric abinda na yi a can shi ne na zo nan na iske ana yi don ka sai come in revision abinda ban ida gane ba da mushen mu yana yi jisti na ida gane kuma ni kuma abinda na ɗauko ma ma neman dai da in kwatanta ma mai kamarad wani abubuwa bisa kan shi. Abdulkarim Saidu ɗalibi a makarantar lise teknik ɗan kasawa da ke nan maraɗi shi ma na da wannan ra'ayi wanda kuma a cewarsa hakan na taimaka masa sosai a fannin karatunsa. Ga aiki na hannu na nan garaji masu mai ɗalibi. shekara ne nake zuwa nan ga iya dai har lokacin da bakansu ya kare ina nan gaskiya yana taimaka man sosai. A babban hutu na 'yan makaranta da ke kwashe kusan watanni uku a Nijar, wasu ɗalibai na share dukkan watannin ba tare da gudanar da wasu aikace-aikace ba. Galibi na mai da hankali ne wajen hutawa a gida da kuma fadodi, yayin da wasu ke shiga kallace-kallace da kuma wasanni. Voilà, chers auditeurs, c'était le reportage à région. Notre invité vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Marie. Bonjour. Alors euh, Marie, pour commencer, dites-nous, pouvez-vous nous parler de votre parcours artistique, ce qui vous a poussé à devenir comédien euh, Tout d'abord, merci à Studio Clangou de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, je me nomme et je me présente Marie, Dites la rose née pour le sûr. La rose qui ne s'effane jamais tant qu'on la rose avec les billets violets. Hmm. Ah oui. Hey, Yaro, Et donc, pour répondre à votre question, hmm, ce qui m'a poussé à faire ce parcours, déjà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait à peu près 10 ou 15 ans. J'ai commencé avec les festivals Festili les inter qu'on fait à l'école. Mm. Donc, c'est de là que je me suis dit, hey, Marie, pourquoi ne pas te lancer dans ce domaines mm-hmm. Voilà. Mm. Et Marie, quelles sont les principales influences qui ont façonné votre style de jeu euh, mm. On sait qu'il y a beaucoup de comédiens ici au Niger, mais qu'est-ce qui vous démarque des autres Ce qui me démarque des autres, bon, tu sais, moi, je fais ce qui me vient directement du cœur. Ouais, c'est bon. Je peux dire que c'est ce qui me différencie des autres. Hmm. Ouais. Vous êtes euh, web humoriste ou vous, faites des spectacles comme ça Un peu mitigé. Hmm. Hmm. Alors, euh, Marie, dites-nous, vous avez des souvenirs marquants de vos expériences sur scène ou à l'écran Sur scène, oui, ça, ça ne manque jamais. Bon, ça faisait même pas longtemps lors de notre dernier spectacle aussi, Stéphane. Mhm. J'étais en pleine scène, en train de danser. Hey, catastrophe totale. Les talons au mais. <laughs> Heureusement pour moi que je maîtrisais les talons, sinon c'est la honte totale. <laughs> ah ouais, en tant que rose. Ne Ah, ici à demain, nous, tu es filles d'une samboumée. <laughs> Donc, euh, comment préparez-vous euh, vos rôles, genre vos textes euh, Est-ce que vous avez une méthode particulière Bien sûr. D'abord, primo, je reste assise, réfléchir, avoir un thème. Ce thème-là, est-ce que ça, ça aurait un impact sur les gens Et après, venir faire les répétitions et autres. Et le casting final, c'est de venir représenter ça devant les gens. Quoi. Mhm. Alors, Marie, quels sont les, les, défis dont vous rencontrez dans ce travail Elles sont énormes. On vous écoute. Ok. Premier défi, c'est pas facile pour une femme d'être dans ce milieu-là. Vous le savez tous. Moi, ce que je peux dire, me rendre à des heures tardives, vu que je suis un peu éloignée, donc les moyens de transport là, vraiment, c'est ouf quoi vit la situation du pays et l'insécurité dans laquelle nous sommes. À ce là Ok Marie, nous allons prendre une petite pause et on va revenir avec vous pour la deuxième partie. Ça marche. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà de retour au studio avec notre invité du jour. Pour rappel, Marine Maria Mariama Ignacé marie rose hmm. marie rose wo harendi kono agate uh, eh, ifoni na se réseau sociaux bon agate mo sangi spectacle yang borem ka gune mm -hmm. to marie rubairin bai uh, eh, harindi harindo kan aranga son den sombu uh, eh, jour fon go te harindi harindi bora kan nago dondon harindi harindora walai mne bora kan nago banim nim cabbora isi harindi harindora matana gite da matana su bane ngo gite da <laughs> to sintina de wegini aisi aisi bor fo dondo mm. ay gu gore mu gona bora wo contexte o kara atenia ya dinga ce qui veut dire ay mu ay ay de propre créativité ay mu kaga présenter mm. mm. Alors, Marie, dites-nous, j'ai du mal avec les armes, ok mm. On va faire en français. Dites-nous comment évolue votre carrière dans... Comment va évoluer votre carrière dans quelques années Dans quelques années, oui. une promoteuse. Comment Pourquoi <laughs> Je préfère rester là. ¿Mm? Vas-y, explique, on t'écoute, explique-nous. je mm, n'ai pas d'explication sur ce point-là, approfondi si, si je peux le dire. Oui, mais il y a beaucoup de choses à venir. Hmm. to mari eh, spectacle kan nigte da hay kan ga tum nugo da kan nigte akine ninde boryen no boryen won kan ginga ninde boryen no kam dan kyar kan bara ga go kyar bande sanga fu travailler en groupe pol matno haya gotera hmm ir kyar kan dan kyar kan bara mat kan nintida parce que moi je fais partie de Harka Comedy Club mm -hmm. et nous avons un manager mm -hmm. et spécial coucou à lui Ahmed Ousmane mm. donc là-bas groupe nous et de temps à autre, deux spectacles Tout le monde écrit ses textes. Il me candait, il examiné Après ça, tu pars. Après mille réflexions, rire et rire ton texte, tu, tu viens vous répéter ensemble, corriger les erreurs ensemble et présenter le jour J. Hmm. Aïdi qu'un groupe ora alboré, bagum de ne mhm. maintenant ne go nongo de de gamara. <laughs> maintenant, quand ne ka di. Ainongo dura Aino Nacheche Bonsi. Parce qu'on dit que rien n'est impossible. Surtout quand tu es femme, Arang Bemi. Ils sont respectés et ils minimisés. Donc, Aine hay Haya ou Hangangdi. Ils m'ont weboré, ils s'kam nammi Ils goufoume. Il faut pas qu'il qu'ils m'y n'ambandami. Gargane Kokarno ne bataille, bataille jusqu'à ce que. Idi kan nagalala. Ah non, mais wanga ari en bata. Dans ces cas, en parlant des textes, fais un joli texte pour les auditeurs qui nous écoutent. Mmh, de mes tests hein. ou bien même. Voilà. Bon. Mm, elles sont nombreuses, hein, mais quand même, voyons Tu choisis Bon, vous savez, il y a plusieurs types de fous. Par exemple, il y a les fous citoyens du monde, ceux qui ne prennent même pas le temps de bien soigner leur look. Parfois, ils sortent sans dessous par exemple les restamans. Il y a aussi les fous qui sont fous mais qui ne savent pas qu'ils sont fous. Ici au Niger, il fait 45 degrés et vous allez voir des gens habillés, vestes, cravates bien serrées avec des souliers qui brillent partout. Hey, ma chérie, Arkaglala. <laughs> <laughs> Merci Marie. Et notre dernière question, euh, ou bien avant-dernière question, est-ce que vous pouvez donner kabiyan fono, sanga jawabi wal kabiyan fono goni se kan ni Banga eh, bore furo domaine wadiyan ra comédie domaine ra sanga ba uh, woy bore do hari kabiyan pour que hal bora furo il faut avoir l'amour du métier être déterminé, la vocation et la passion. Mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Donc, moi, ce que je peux leur dire, mhm. une femme dans le milieu artistique, mhm. c'est vrai, c'est pas facile. Mhm. Il y a des avantages et des. Donc, imsumburi mkade irwar gocal yance ci arin gocal yanke ki mka zama arin dika arin ga arin arin sibagun mu Mhm. to mari aran gwanda proje kayan bo aran go gwai so ir me kino bo da aran gwanda aran hin sala ir se projet din bo projet proje mm, proje to dai proje bo ir bagun bo me yar mu di mu sai se sai misalin kaina mhm proje projet kan bon son actuellement ai go ai propre groupe on a créé au nom de Marie Rose donc avec membres de Chéti, on va collaborer ensemble travailler ensemble et puis on verra ce que le reste verra que des femmes ont ne se discrimination J'ai mille, <laughs> nous femme garçon mm-hmm. mm. to mari irgin fondo gwai da tuyon kan kagate irwana burnyen wose to kalir ne ne se bonne journée Merci beaucoup. Merci Marie. <laughs> Chers auditeurs, allons pour un autre tour en musique avec les titres Niger mon pays, Niger à terre de la paix. Niger غاني غاكالي غاني أكلنا رخي غاني غاكالي غاني أكلنا رخي نغالا كالي الشكا كلا الشكال ಇಂಗಲ ಕಲಿಯೇನೆ Après cette belle sonorité, fidèles auditeurs, c'est le moment pour nous de recevoir Salamat Kadri pour la partie sport. Bonjour, Bonjour <laughs> Bonjour Mariam. Bonjour Bonjour. Alors, euh, S-FAN se prépare pour la Coupe de la CAF. Et eh oui, Mariam, c'est dans le cadre des tours préliminaires allés de la Coupe de la CAF. La fan se déplacera bientôt au stade de Kégué à Lomé pour affronter ASCK. Comment l'équipe des forces armées nigériennes se prépare-t-elle Écoutons Aboubakar Ahmed Fataou, entraîneur de la Fan. Par entraînement le 27 muna a kame-kame Deja ka sani Niger an kare campiona bai jima ba isa ya bar sauran juwer da dama condition suna da shi. To abin da aka yi da muke muna kara musu wani condition kadan a pressa za mu yi mai za mu ci gaba da tactically so mu duba yadda za a yi. Mu niyan mu dai mu je mu yi mu samu 'yan point ko kuwa da Allah ya ba mu iko kuma ne mu zo da 3 point mun zo gida mu duba yadda za mu yi. Kasan lamarin kuma na hannun Allah. Eh da ja mu muna nan muna shirye-shirye mu kuma da dama sun zo wasu kuma suna hanya zuwa ko da yake wanda suka saura ba zo ba ba su da wani yawa kamar biyu da uku a kan gane ba su zo ba Le tournoi de lutte traditionnelle organisé à l'occasion de l'un une du, CNSP a pris fin hier et Isaac Isaka de Dosso est le roi des arènes. Effectivement, Rukaya, le tournoi de lutte traditionnelle s'est achevé à l'arène des jeux traditionnels de Niamey. La finale a opposé Kadir Abdou alias Isaac Isaka de Dosso à Nour Hassan de Tawa. Après 4 minutes et 43 secondes de combat, Isaac Isaka a terrassé Nour Hassan. Écoutons maintenant les impressions du président de la Ligue régionale de lutte de Dosso, El Haj Abdou Harouna. manci batora no niga ka cabi ni argurja sai niga bara niga sola no halaga ka antarna mayan argurja mu mu bai nga wo maino donc nan kai sabu ir koy sai kaci iri argurja borno kan aga minga bondori aga bai hankan ga gogate foru dinga sporo ir wo kancin do ir koy goga do gonan dirse ai bin kaniyo amanto bi mi cini se zama niga bai haikul kai ne region hakku ka kace ci ine ni region ono duwa bin kanai no din nigir ko sabu ir goga sabu mo soje sai kan goga Juste après l'intervention du président régional de la Ligue de Dosso, écoutons Noura Hassan. Lui, Isaka Isaka n'a pas souhaité s'exprimer. On l'écoute. kuma fatan da muke Allah ya sa an yi lafiya an kare lafiya sai mu ce alhamdulillah, dan da a ce dan a wani hitina ne ko wani hayaniya ai da ba za mu zo ba amma gashi Allah ya sa an yi lafiya an kare lafiya gaskiya alhamdulillah nasara mun nema kuma Allah ya ba mu nasara gaskiya tunda ba kowa ya wannan matsayin ba nasara ta Allah ce kuma alhamdulillah matsayin da Allah ya kai ni gode sosai na san Allah ya yi wannan ba zan ji zahi ba saboda na san kaddara ce duk abin da Allah ya kaddara bayan da za a yi mutum ka sauya shi da Allah ya kaddari zan zamo na ɗaya din da ni zan zamo amma Allah bai kaddarawa kawai Voilà, chers auditeurs, c'est ici que se termine la page e-sportive d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau numéro. Bye bye, les filles. Merci, Salamoto, pour toute euh, cette information sportive. Alors, euh, Ruki, dit qui est l'étoile du jour Aujourd'hui, Mariam, nous vous invitons à découvrir Amadou Boubacar, plus connu sous le nom de Doti Girmei, un guerrier âgé de 63 ans, originaire du village de. Kobadje, situé dans le département de Torodi, région de Tilabiri. Docteur Jirme a hérité de l'art de la narration il y a 40 ans. Dans une interview menée par Oumu Umaru, il a partagé son expérience et son affection pour cette tradition ancestrale, ainsi que l'importance de son rôle au sein de la communauté. minen giɗi andina hoorema dotti jirmi indirte e kan himɓe andirta kam wiye amadou boubacar wuuro kobaje nokku to ɓe mbiyata boolo laaje hadde kobaje ɗon neɗɗo ƴuyñeme fuu ɗon warta ko jola kodorko on ko tukka e kobaje ɗon wuro amin woni mi heeɓi duuɓi lasoji tati e tati gollal ma bakou ko gatta ɗum yala aron ɗum noon fayno hoddu tirdete mbiɗa anndi no poɗɗirmi golle ɗen wakkati fuu miɗen min jami ɗen kiro am ɗo fiyane sukaaɓe yimoɓe sen en warti fuu dottijo am ƴama kam to jaanoɗa wiya min kiroyno no min pijoyno o wiyan a ɗum wona mabako ɗum ka fijirde no waɗu ko tawɗa e mamaɗo o wi kam tino piyana worɓe kolli muɗum en kam won ko tawɗa ɗum ɗon won mabako leydi torodi fuu fuu hoggo amin won mabuɓe toroɓɓe o wi tinna piyana worɓe mawɓe kamɓen mm, jeeyi gacci wona ko fijete ɗum ka fijirde noon o wi si ani a heeɓi sabungo fuu dottijo an woni o wiya kam o wi si a heeɓi sabungo fuu fuu ɗum ka acco an ɗum so ni allah jaɓi du si a hewti sabungo duuɓi ɗi mbimami ɗum en fuu si allah jaɓi fuu fo a yata kiiro a saabi dottijo ka hiiroyta fo a andi tan haala ka mbimami mbimi a yetto woodi le hoggo amin tawmi hoddu abba am no fiya hoddu no no jamma no wawi mbaggu min ɗum ɗo fiya hoddu mbiɗa wawi jammol mbiɗa wawi mbabbudu koye kay fo mi ekkitaki ɗum mi tawi ɗum ley ɓaade ami illu e mama am mama am kam fiyata hoddu mawdu no amana ammana lotijo am kam kay ko gaccol gotol ɗum fiyata amana no wawi jammoje no wawi tariki duuɓi foti gaɗɗa aɗa fiya hoddu ko fuɗɗum ɗo fiya ɗum warde joni kay no ɗuuɗi gam ley ɓaade ni piyannomi mbiɗa ekkito ɗum hewti ko watta duuɓi lasuji ɗiɗi kay o miɗo fiya hoɗum moƴƴere ɗe keɓuɗa nder mum wallayi mi heeɓi moƴƴere kay wallayi alhamdulillahi mi yetti ko allah waɗani ka ɗin moƴƴere moƴƴere no heewi ko ko kaami wallayi fay joolobam hokkama ɗum leydi daɗɗini ndi ɗum kay jowro te gona waɗani kam ɗum jowro ɓi jowro joni ɗo ɓi joni ɗo yusufi ñamdu bourayma yusufi amadou bourayma on mbiyami mayga si hama sikka si hama tumali hama farma hama o wi kam dottijirme ñande puɗɗuɗo ara maba ɗumen won ko kokkeɗaɓe saabi hande subaka o mi yiɗana kalana kan ko kokkeɗa fo fa tawi nde mi hokkima hande subaka o fo mi heedi yesso mbimi jowru ɗum kane tiiɗi wala fof komi hokkaka ko woodi koyɗe nayyi ko wona tittal wona fu ngel mi hokkaka o wi kam haalanan ni mbimi hakkude jooloɓo nagge mbiya mbaalu ɗum kam fof mi hokkama ɗum o wi kam a hokkama nokku to ñiɓatana mbimi hokkaka o wi to uman fam hollo e nokku to ñiɓata nder torodi te ɗum jowro waɗani kam ɗum woɗi alhamdulillahi mi durata mi remata barke allah e barke ko tawagal abba am ni gon no jogui kam miɗo jogui sukaɓe e fuu batte allah gollal am ngal ni no wodi ɓiɓɓe sappo nder sukaɓe ma no wodi koɗiɗo tawagal magal wallay miɗo yiɗiɓe koƴa de ɓe jiɓɓe koƴay jonka mi yira maɓɓe won um, mi anda yalla jaɓanna jaɓtami ɗum wiya ɗum mi waɗani ɗum en kay hono mabɓe fof mi tirani ɗum hoddu mum jonka yamirore nden yalla nde jaɓanna nde jaɓta ɗum won mi anda so ɗarma oye goɗɗa nder golle ɗe wallay sa ɗarma ka heppata amana har ma baku ka wala sa muɗum to dawmi funami hokke miɗo ummo ɗo miɗo yaha fa gana en burkina en miɗo yaha ɗum fuu to yimɓe lobbuɓe ni jahanmi gam golle amin ɗe gorko laatiɗo jeenariɗo fuu min jahata to muɗum kanmo jeenaɗiɗe kan wo pa laaɓi ɗiɗi gotogal huti ɗum woppiɗum joom ɓaare tawi nde wooɗa faɗɗi nde gaɗa hoggo kan wo bakilu o ɓen kam min jata to muɗum sayni anditoɓe ɗumi e waddi maabo walla yimɓe woppoɓe tawangal muɗum ɓe pamayno neɗɗo fo leggal ɓoyri e gowru o fu laattako toléa woɗi so domuru woofi laawol ma mo ƴuranno wallay na waɗo hitere wootere eh, woppa tawangal muɗum ɓe rafi andal ni waɗi ɗum ko neɗɗo laati no wojjiri fuu wiyatake tubako de jomum tinno e tawagal muɗum min kam jamiranmi so ni ɓi bayillo noon ɗum ɗon induno mamu no handi tawe tiiɗi e wahilde mum so ɗi sekkejo noon no haade siiɗo e sekkaako muɗum ɗum ɗon innduno maami ehm, woodi minen maabuɓe ɗo geɗe amin sukaaɓe mu hannde ɓe woɗɗo maɓɓe fof mbitana no kemtira ɗum to wona minen kam min kemtirta ɗum gam miɗen anndi ko woni neɗɗo fuu darta kona darnde muɗum ɗum mi ñaagotomi allah ɓe hakkilloji maɓɓe garta e muɗum sidio kalangu mo koora kaano kokko laabari bintini yimɓe mum no mbawi golle muɗum no anndi golle muɗum Merci Oumarou pour ce portrait, chers auditeurs. Bouclons notre playlist avec le titre Zataou de, du feu Moussa Poussi. nodin gana gaka amma kwai kai ne da bere wayen dina ha man gado no jara amma ne turmi ya ci dau wai hun burono donoma <laughs> kamar wawa ba wawa ba abanda argurje ye argurje misi koi gurje ni man dizata sillibawa dan fatima kasar kafoni kalgudan gamkale warga wai sorkai gida buro samu ta gabiya yar mai komai wata kama, burkan na bere karganda kanye ka baba karganda ni bai ni zo si forun se ni noti joru bandado ai moti soraka do awa ka ai kananan dia da do benya na de sandi Gawi borai gaba Musa Sorkai borai gaba Musa Gudal borai gaba Musa Gamkele ni gaba Musa Ebawa ebawa Yeba manasa Muro gurgu sandire Yebawa ebawa Aikweka pongo holei zai Akini kurunya no bawa magori kurunya no bawa jimasi kurunya no bawa sai salamu yan kurunya ibar futa ga tangari no salamu te kweze. alo maro machan din se madi haram madi yesi dal yesi fo magagini ga e bawa e bawa bade gajir bidonono muhamma kwara kanaiso borokan miya mangwayendi dini man miya ni wasaro nafisa baba no musa rahina baba no musa rajiya baba no musa barina baba no musa umaru baba no musa yasina baba donisa e baba e baba sobore wayin surun gade zaya bunu aino kacin dikosi zaya gado nu ai moy gado nu ganje gado nu ai moy gado nu zamilati soro kabanda da ai kulun duwa duwa yanda e bawa e bawa c'était les titres ou de fées Moussa Poussirou qui écoutons à présent le loti du jour. Oui, Mariam, et dans la chronique loti de ce jour, nous parlons de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village passer leurs vacances. Écoutons à ce propos Hawa Ousmane et Rekia Arimi. Assalamu alaikum. uwa, yaya kike? Wa alaikum salam Rabibi, da dama. Alhamdulillah. Me nike ganin takardu dumtsin a gaban ki haka? Fasfor kin yara nake ta nema tun dazun nan. Fasfor? Yo, kin manta ne. Yanzu lokacin hutun ƙarshen karatu kin san ko muna zuwa ƙauye. ƙauye kuma amma kifa ina ji da sauranki tahiya birnin bai isa ba hal kuma ki wuce ki je ƙauye hm, zama a birni da yara ina ji shi ya fi komi. Habaki kuma, halankin manta ne a ƙauye na girma, a can aka aihe ne. Uwaye na ma suna cin, ya kamata in kai yara muna sun kakanninsu. Gaskiya ni ba zan iya ba. Yo me yasa? A ƙauye kin san akwai cututtuka da dama. Shi yasa lokacin da nake ƙasar Nijar, ni ban zuwa ƙauye, balle ma a ce in kai yara na Ikon Allah, Rabi, min kike faɗa? Yau kuma dangin nakiwa? ta waya ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci shikenan daga waya sai waya yo ke so in yi kuma ban da wannan haba rabi idan kuma akwai wata sabgawa ya kike yi kiran su nike wani bi ina aika musu wani abun hannuna mhm. da da ke a ganin ki kin hisu kenan ko sadda kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki ai kina ganin su ba su maganin nisan wurin da kike debo wanda kike can bakin gari amma hi mutum ya tattaka je wurin ki kada hokki mantawa zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tunda yara za su san juna kuma su kulla zumunci da 'yan uwansu. Mhm. Lili, haka ne, amma wannan san naki gaskiya sai an yi nazari aka. dibara Rabi, kin hosan sun yi mai yawa. Mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurin su. Kuma Dibawa, yara ba su wata damuwa, wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba. Kuma ga abokansu nan ai ba wani zancen abun da zai dame su, sai ma su sake sosai shiga cikin danginsu. Ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka. Kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsarin. Yo su da suke raye a can me yasa ba su mutu ba? Ai su dole ne kuma sun saba kayansu. Ku da kan kuna iya sabawa. Hawa bari zan can nan kin shi ko? Haba Rabi idan kina gudun cututtuka ne ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare 'yan karamin ki na magani. ni kin ga kullum in zani tahiya bulaguro ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa wallahi sai na ta yi da 'yan magunguna na kuma sannan babban ma abin da nake tayya da shi ina kaiwa dan abinci saboda waɗanda zani iskewa su ma in taimaka musu mm, kina da gaskiya ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa kwarai kuwa ai ina ma kara tana miki da cewa ni haka nan nake yi a kodi yaushe in na te ganin na eh, ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin sarakanta ba hmm, wannan kam da ni kike To, shi kenan na gane. Lili zan ɗauki shawararki in Allah ya yarda. Ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. Riba Rabi, wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki. Ba ki kaɗai ba ce. Na sani sarai akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar. Gaskiya kam ya kamata mu canja hali. A gaskiya kin gane wannan kuma shine yake. Saboda darar da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garinsu <laughs> za mu gani ina zaki da yan koma tsanki ƙauyen dai zani <laughs> jama'i fa ba garin ku bace a dai tunani na kenan yi kokari ki tunani <laughs> kina da gaskiya lili in Allah ya yarda wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana to ko ke fa in dai kina so ki samu yauni sosai a cikin ɗakin ki ya kamata fa ki kai masu kai ziyara su kuma a ƙauye suke kenan zaman ƙauye ya kama ki ko kuma in ce zuwa ƙauye ya same ki in Allah ya yarda lele ai wannan ma karin ba kwa bar ni ba a cikin garin insha Allah to Allah ya kula mu Chers auditeurs, c'était le loti offert par les femmes du, du, du studio Kalangu et nous sommes dans ce studio avec Maman Ada pour la culture linguistique. Bonjour Maman Ada. Bonjour Rukaya. Et quel est le, le mot de la semaine? Eto yau zan mai da hankali amma mu tantar da cewa a kowace shekara ta ranar talatin ga watan Juli wato kasashen duniya suna sallace wato ranar abota ko abota ko abotaka. wannan da eh, ka faɗi kalma duk guda ce wato abuta kamar bayyana wata soyayya ce tsakanin ka da wani mutum ko tsakanin mutum biyu sannan kuma wato soyayya ana ƙulla ta ne ta da wani ko ta da wata misali kamar tsaffan abokai suna da daɗaɗɗar soyayya tsakaninsu ko daɗaɗɗar abokantaka tsakaninsu wannan abutaka tana ba damar a yi musanya tsakanin mutane kan batutuwa da dama na zaman rayuwa domin bunƙasa wato jin daɗin zamantakewa tsakanin mutane a dunkulai kun ji abin da za a cewa a game da wannan kalma ta amince da a hausa ake cewa abota ko abokantaka Merci Maman Ada pour cet éclaircissement sur le mot amitié. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous voudrez avoir l'explication, en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek, en fulfulde. N'hésitez surtout pas à laisser un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Et eh, tabbas eh, studio Kalangu wanda ka e gyara cikin zamantakewa ta al'umma tunda suna shirye-shirye waɗanda ga haɗa kan al'umma kuma suna nuna suna waye ma al'umma kai da zamantakewa ta rayuwar duniya insha Allah. Muhammad Nasiru Musa amma an sani na da suna na shi. Ni SJ ne na gurufaman kayan ɗanye da ke nan fada ɗan silo jirata. Wani tsoho ne yake buɗo mamushi nan inda muke zama. shi malam garba shi ke son kalangu a kodon lokaci wannan muna jin daɗin labaran da ake yi ga kalangu din nan musamman saboda labaran suna da daɗi da ƙayatarwa san shi do abu inda za ka samu abin da za ka samu ra'ayoyi da hasken kwalwa gare shi to bukatar eh, ina gaida yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa musamman abokanan kasuwancinmu wanda suke garin bori garin bamo ina fata radio kalangu su ƙara ƙarfafa rezon su inda za su kaiwa ko ina da ko ina mu dinga jin su ƙarara a kodon lokaci muna fatan hakanan kuma muna fatan su ƙara faɗaɗa shirye-shiryen su bisa kan harkokin noma da kiwo da kasuwanci. Muhammadu Hadi Santara ya kasuwa tsofa Maradi. Muna sauran studio Kalangu. Radio mu ne muna jin daɗin al'amuran su da abubuwan da suke yi. kan labaru kan tallace-tallace duk muna ji mm, gaskiya rediyo ne yana da kawatarwa sosai eh to gaskiya za mu ba da gaisuwa muna da gaishe-gaishe da yawa ma eh inda akwai dama muna da duk yan uwa kuma muna da har mai girma shugaban kasa muna muna gaisuwa ga shi cani kuma muna jin daɗin al'amura yake da yadda suke gudana kuma ga inci da ake nema kuma ya samu bakin gwalgwado alhamdulillah gaskiya eh, muna muna da kuma muna da hashi mai kasuwa tun da kasuwa alhamdulillah ta kawo ci gaba kwarai a nan jihar maradi Ko mutane suna cikinta suna samun abincin da suke ci muna fata alheri sosai cikin ƙasa muna fatan allah ka damana mai albarka ya karuwa masu yawa masu albarka gaskiya muna fata don saboda damana ita in ta sauka gaba ɗaya to alhamdulillah ƙasa ta warke Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Ici prend fin cette émission de ce mardi 30 juillet 2024. Vous étiez en compagnie de Mariamade et Rukait Abdraman. L'édition a été assurée par Adam Adawaki, la technique par Mustafa Ayuba. Si vous voulez réécouter cette émission, allez-y sur notre site web www.studiokalangu.org ou sur notre page Facebook Studio Kalangu. Bonne, journée, À tous.